jin tusa ala fada kuma cikin shirin namu na fada babu hira da duka abin da ya sa matasa mun yi zancen shi yau mun zo muku da wata hira da da ake jin yaunin yinta longtemps était tabou dans les sociétés africaines de manière générale Zanchan Haïla mata ko kuna mata Mahawara ya zama selon Toumaï Web Media au Niger par exemple grâce au financement de WSSCC à travers ONU Femmes et aux appuis multiformes et multiples des ONG partenaires en fara ba wannan Haïla hailan mahimmanci duk da yake a nan cikin société namu da ya mutu ta buɗe cikinta ta yi zancen haila da take nan gashi ko ko wani ciwo ma ko wani abu to wani irin matsaloli ne wa'annan 'yan matan suke fuskanta bisa kan bisa kan harka haila su ko ko wani irin taimako ne ya kamata a kawo musu saboda shi muka ɗora fadar mu yau a nan tare da ɗalibai 'yan mata kai da samarin ss ka mance da ku yawa ku ƙara ta'awa ku. Donc, je suis muka Institut supérieur de santé ISS. Question d'auditeur. Musique et la chronique de la FADA vont agrémenter ce numéro. Olivier, aujourd'hui, on va parler de quoi de la chronique On va parler de l'éducation, on va parler de l'organisation de l'examen du baccalauréat. Dans quelques années, le baccalauréat sera organisé simultanément dans les 8 pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine. ta muna Hamadou. Elle est chargée de programme Waba. Ça va, Zamila, tu vas bien Ok. Donc, bienvenue sur à la Fada. Nous sommes avec docteur Abdelaziz qui nous a tout facilité ici à l'ISS. Applaudissez pour lui Merci, docteur. <laughs> Docteur, vous allez bien Je vais bien, bonsoir. Ça va, merci bien, merci pour l'accueil. À cette fois-là, nous sommes également avec euh, C'est ça, non Oui, c'est Tchadjei. Uh ah, -huh. Ah, Aïcha, elle est étudiante ici à l'ISS. Oui, oui, je suis ça étudiante, oui, ça va. Il va falloir que tu rapproches le micro. <laughs> ça va, tu vas bien Oui, ça va, Dieu merci et vous. Ça va bien, Elle est études, ça, va Ça va, oui. Tu fais quoi ici Tu étudies quoi Je suis sage-femme. Sage-femme Oui, je suis ah. en LCO, troisième année. Ah, c'est sympa ça, sage-femme. Merci, hein. <laughs> je te remercie d'avance. <laughs> Avant qu'on se rencontre là-bas. Là. Il n'y a pas de souci. <laughs> Passe le micro à ma belle qui est là. Ça va, Madame Mezumbu, tu vas va, bien Bonjour, ça va très bien. Ça va. Je Et merci. je cru comprendre que tu veux être sage-femme aussi. Oui. C'est Deuxième année. Merci d'avance aussi. bon, soyez les bienvenus sur l'émission Tous à la Fada. Au Niger, une enquête nationale conduite par la plateforme d'enquête PMA 2000 Niger auprès de 2003 femmes en 2016 démontre que seulement 43,7% des femmes indiquent que sonAda duk su a lokacin su. To yanzu kan in ba wa'annan wanda muke tare da su yanzu za kuna iya kamar irin matsalolin da kuka samu ne kama Sunana Basira Shaibu Doka. To Basira Safa? Safa biyan wala alhamdulillah. To kina iya ga mun ko ke ko wasu 'yan mata na kusa da ke da kika sani ko a unguwarku wa'in wannan lokacin ya zo matsalar mace ta kake sauran samu matsalar da ake samu shine matsalar koton kin da ba a samu oh ok ya aka yi da ba a samun shi ya ne yake to matsalar kuɗin har kake samun ka sai koton kin oh koton kin ke da tsada ok ça va ma belle oui ça va dis-moi ton nom Khadija aha to dis-moi quand il y a les trucs les anglais débarquent c'est ça on dit non mm. dis-moi c'est quoi maintenant là c'est quoi qui pose problème même ce qui cause euh, problème le plus souvent c'est le coton euh, parce que on nous dit que souvent ça, ça te trouve que tu n'as pas de l'argent avec mhm. toi <laughs> et mm. souvent c'est pas disponible chez les boutiquiers aussi donc, du coup, il va falloir te déplacer et aller chercher ailleurs. Euh, gestion de l'hygiène menstruelle kin a turance HGN kuna iya mana menene a ah, cikin Hausa eh to da kyau kaman yanda ake cewa gestion de l'hygiène menstruelle kaman yanda ake daukan duka wani abu wanda yake shahin wannan al'adan da mata suke gani duka wace diya mace in ta ga al'ada akwai zancutuwa da ya kamata a faɗa mata yanda za ta ganewa menene ma'anan wannan al'adan kuma bancin wannan kuma akwai kayan da take aiki da shi dan ta dauki kanta ta gyara kanta wannan shi ma yana cikin shi kuma bancin shi akwai akwai alamomin da za ta iya gani wa'annan kuma ana faɗa mata su cikin shi kenan akwai abin da ake ce ma lokaci kamar disponibility a ce abin yana nan a lokacin da ta gan shi yana nan kusa da ita tana iya ɗaukan shi ta yi abin da take kamar yanzu yadda wa'annan suka yi magana bisa kan shi <laughs> bari in zo gare ku dr abdulaziz mhm. da dai ita dai wannan zancen haila dai ba a yin ta kwarai to amma yanzu wai har ta zamo abin da take kawowa ana wani bisa campagne sensibilisation ana rencontre bisa kanta kuna eh, pourquoi maintenant quoi qu'est-ce qui se passe voilà merci bien mm-hmm. euh, c'est une question d'actualité maintenant parce que tout simplement euh, on a rencontré un nombre de cas importants surtout des jeunes filles ne serait-ce que si on prend sur le plan scolaire qui abandonnent les écoles rien que pour, pour, cela de l'autre côté, il y en a qui chantent parce que l'abandon, c'est autre chose. Tu abandonnes karma, elles ne viennent plus à l'école. Il y en a aussi juste à la période de, ces menstrues-là qui arrêtent karma de, suivre les cours jusqu'à la fin. Ceci peut s'expliquer par plusieurs euh, manières. L'une de ces manières-là est que, par exemple, deux fois, c'est des choses qui arrivent deux fois sans prévenir. Certes, c'est vrai, c'est menstruel, comme on le dit, donc c'est pas moi. Mais il y a deux fois, psychologiquement, quand on est dérangé, ou bien quand on a peur, ça intervient à un moment euh, inapproprié. Donc, ce qui fait en sorte que les étudiantes n'arrivent pas, par exemple, tout simplement à se contenir. Et déjà, il faut noter les deux cas qui peuvent se présenter, où on parle de dysménorrhée et de ménorer tout simplement. Dysménorrhée, c'est la difficulté que ça fait extrêmement mal au moment où les règles interviennent. Donc l'étudiante ne peut même pas suivre les cours. Des fois, elle s'évanouit même il est, il est pour nous très difficile même de les prendre en charge, raison pour laquelle on passe de temps en temps même dans les classes à sensibiliser les étudiantes pour essayer de savoir quels sont les différents calmants qu'elles prennent au moment de ces, de ces menstruations-là. de quoi elles ont besoin La majeure partie, c'est des antalgiques. On peut un peu citer euh, l'espace fond euh, ouais. D'accord Donc, donc, on a déjà une disponibilité. Donc, la majeure partie des cas, quand ce, ça arrive, on, on, les prend en charge avec ces, ces, ces calmants-là. Voilà. Donc, Yanzo, justement, nous avons des jeunes femmes ici avec nous. me za ku iya cimin kan wannan abin da doktora yana nan ga kwatantawa irin matsalolin ku kuna iya gaya mana kuma yaya ne ko ba ku ba ko wani na kusa da ku ko wata ta kusa da ku ta taba samu irin wannan matsalolin kuna ganin matsalolin wannan problem kin sa sa bisa kan yan ku mata Marema gare ki eh gaskiya wannan mhm. matsalolin <coughs> gaskiya wannan matsalolin ana samun su sosai mhm. surtu a makaranta ekol ekololi za ka ga ɗalibi yana cikin klas zai tashi ya huta ya bar kur shi kuma kurkin tana yi wasu tres important in ya bar shi kenan bai iya ratarafe bai iya gane abin da aka yi cikin klas zai tashi ya tahi tana yi wa bai yi prevoir kin shi ba kenan dole sai ya tayi gida babu disponibility kin kita haka cikin ecole da hmm. sauransu to yanzu Les principales concernées sont toujours des questions à poser aux médecins. Tumba ma basa kan akanda ya kamata su yi sugeren wannan ba lahiyar jikin su ko jikin nasu a lokacin nasu na haila. J'espère que vous pourrez répondre aux inquiétudes de notre jeune auditrice. On l'écoute. Matana ite kuro din bonza jama'a musu bayaiga. Zamira mhm. to kenji tana ga tambaya ne za a yi Idan ta kimtsa jikinta a lokacin wannan don mutane kasu gane eh, ya mace in ta ga hailanta abinda take iya yi shine wannan da ake gwada musu ka ɗauki wannan serviette hygienic ko kuma coton wannan zaka sawa a nan a cikin wando a kasa sai ka wanda yake iya in kai awa guda awa biyu da shi hakan ga zuba ka wuce awa uku sai ka hudda ka sake kuma ka sa wani in dai tana bi tana yi hakanan awa uku zuwa awa uku tana canzawa ba a ganin jini tunda bai hutowa ta baya Ok. Nous continuons la fada avec euh, nos invités, mais avant de poursuivre euh, cette émission, on va aller faire un tour du côté de Dandy et de sa rubrique. On va voir de un artiste né cette fois-ci, Minene Zezomana Rashi, Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime nous sommes des rebelles contre la Covid-19. L'artiste s'exprime, la nouvelle rubrique de l'émission Tout la Fada, qui même, vous le savez, un combat sans relâche contre la maladie Covid-19, qui continue encore de se vivre car le virus continue toujours à circuler tranquillement dans nos locaux, musicalement parlant. Pour ce faire, nous recevons régulièrement des artistes qui s'investissent à travers leur art pour contribuer à lutter contre cette pandémie. Cette semaine, nous recevons sur cette rubrique, sur l'émission Tous à la Fada, une rebelle je prends ma chicha devant la MIFA. Enfer ne parle pas, moi je suis rebelle. Je fume mon bedo l'alcool c'est de l'eau. on a parlé, parlé fatigué. Malgré ça, je continue à teaser. Ouais, passe-moi la couche, moi je fais pas la bouche. Je me cache pas pour prendre ça dans la douche. Marco, je vois que tu fais trop la bouche. Je suis venu en solo, je vois que ces négos n'ont même pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau! Ben eh, dis aussi que le virus n'a pas du tout le niveau. Le virus n'a pas le niveau. Mais le corona est trop peu commandé ah musicalement ouais. là Alors aujourd'hui, on reçoit une rebelle, comme je l'ai dit, mais pas dans le bon sens hein, du terme. La cune Zenab, elle est une queen, elle est une princesse, artiste, rappeuse, actrice de cinéma, mais aussi pleinement euh, investie dans le social avec son ONG. Alors aujourd'hui, Zenab, je te souhaite la bienvenue sur la rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Tu pètes la forme Bien sûr. Tu es rebelle contre euh, la Covid-19 aujourd'hui Oui, je suis rebelle contre la pandémie. Are you ready Yes. Super. <laughs> La Covid, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maladie, Zainab eh ben, Je peux dire que c'est une maladie dangereuse, mais qui n'a pas le niveau en fait. <laughs> On, peut, la combattre, on peut mettre fin à cette pandémie. À cette... Des punchlines contre la Covid-19, Zainab Alors tu es une artiste avec plusieurs cordes. À ton arc, comme tu l'utilises, déjà des multiples talents, et ton image et tes œuvres pour aider à lutter contre la Covid-19. Alors dans ce sens, qu'est-ce que tu as fait ben, grand frère, on a beaucoup fait. On a fait des sensibilisations, on a sensibilisé les jeunes, nos fans. Mhm. Euh, on a fait des, émissions télécours pour aider les jeunes euh, candidats de la troisième et de la terminale A. Mhm. Euh, et on continue toujours à faire des sensibilisations parce que c'est pas fini, c'est presque fini. C'est presque fini Oui. Mais il y attends, on va parler, puisque tout à l'heure, tu, as parlé de télécoute, euh, c'est là que vous avez continué tranquillement vos activités euh, malgré que le virus soit circulé. Tout à fait. En tant que présidente euh, d'une ONG, quelles sont les actions déjà entreprises ou que vous comptez entreprendre pour contribuer à la lutte contre le coronavirus euh, on, continue Toujours, oui, on continue toujours en fait à faire euh, la sensibilisation. En quoi faisant concrètement On a attaqué les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui, on a créé des groupes, des jeunes. Mhm. Euh, on part à la rencontre de ces jeunes-là pour les expliquer que c'est pas, en fait, c'est pas un jeu parce que vous n'êtes pas sans savoir, grand frère, que la majorité des gens ne croient pas en cette pandémie. Donc, nous, euh, on les fait comprendre que c'est une réalité en fait, que la pandémie existe bel et bien mm-hmm. et que c'est ensemble qu'on doit relever, ce défi-là. C'est ensemble qu'on va relever le défi. J'aime bien ce mot. Ensemble, nous allons lutter contre le Covid ou la Covid-19. Alors, ah, la rebelle, excuse-moi du terme, ok eh, Votre mot de fin à ceux qui euh, kiffent cette émission alors je parle. Quel message tu veux passer ah, tu, as, tu, le micro, comment dire I give you a microphone. Microphone checker Yo, je peux finir avec un son Ouais, un son, mais je voudrais d'avoir un message qui vient de ton fond, de ton fond, de tes entrailles, pour dire à tes fans, ceux qui t'ont kiffé, qui continuent de te kiffer, un message pour leur dire que cette maladie existe, ils n'ont qu'à faire gaffe. Eh, je, dirais, je dirais aux gens, à mes fans, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, euh, de faire très attention. C'est une maladie, elle est, vraie, c'est une pandémie réelle. Donc, euh, de, de, respecter les mesures, de ne pas se saluer avec les mains, de laver les mains régulièrement et de rester chez eux, malgré que maintenant on peut se déplacer, mais tout en respectant les mesures. J'aime bien ça. On finit avec le but comme d'habitude parce que tu veux poser dessus. Moi, je peux te dire un truc. Ça se passe comme ça dans mon petit ghetto avec mon mic haut, toi. Ben, nous sommes sur Kalango. Balance-moi un truc puisque tu fais du rap. Yeah. yeah. Okay. My name's Bad Girl, don't be afraid. When I sing my rap again, my name is dead. Yeah. Sing it up, leave it up. I control the game, so we bad girls, strongly glitch, make change. Mon nom c'est Bad Girl. Je fais du rap dingue, appelle-moi la dingue Yeah. J'ai des bling bling, je me nomme la nice girl. Je suis africaine et fière d'être black girl. J'ai du flow parce que je rappe avec un seul cœur. Appelle-moi Bad Girl, je serai ta nice girl. Yeah. Au bout du microphone, je fous le bordel. Je viens de nulle part avec un son phare. Yeah je t'inquiéter, mon style est trop rare. Tu sais bien qu'elle a les flots et moi j'aimerais vous tuer. Mister Taff est la partie. Mister est la partie. C'était l'artiste s'exprime Covid-19 sur tous à la fada caressée. Respectons les gestes de barrière. On connaît agi. Ce qui Hey retour euh, sur Tous à la Fada après cette petite pause euh, musicale. Euh, Gamuna de inconfort qui là notamment chez certaines filles. Moi, je certaines qui prennent leur disposition parce que un symptôme, qui sont un qui un un shamsiya ta ita tana yawo rahoton kinta daga tashi abun ya kusa kusa ina muke ess wala muna tare da yan mata da samarin ess nan da suke zo su yi wannan hira tare da mu a fadar muna tare da zamilatu hamadu elisharshe do ba waba programa ba hin kwata mu mai wa ba ki wannan eh kaman waba wani proje ne wanda ake cema west africa breakthrough action kamar duka garuruwan da suke cikin afirka na kudu suna mm. cikin wannan projen kuma wannan mm. muna da wajen abu uku da muke son mu tsara kamar ma'anar projen shine ya kawo canji a cikin al'amarorinmu da tunaninmu shine ake cema changement de comportement to cikin wannan changement de comportement muna da wani wanda ake cema resulta kamar aikin da muke son mu ga sakamakon shi a wajen mm. mata samari da maza shine ma'anar zuwan mu yau cikin wannan emission yanzu kuma muna tare da Dr. Abdulaziz Mamudu shi kuma administrator ne a nan ESS. Muna tare da Maryama Mai Zumbu, elle est étudiante. Tchadji Aisha, elle est étudiante également. La zone agri cikin sommaire, y a 43,7% de femmes qui indiquent que suna da matsala samun duka abin da ya kamata a lokacin hailarsu. To, ko yanzu ina so in ji shi wa bakin wannan program kin. Kuna ta cikin ƙauyuka ko? muna son a ce matasa sun samu labari cikakke bisa kan shi akwai kuma na biyu wanda muke yi kama a ce cikin gidaje muna son a ce iyaye su ne sun ka fara ma yaran su magana bisa kan abin da ake cewa sexuality a barbari ana cewa abin kunya ne uwa ba ta iya ma magana yaro tun yana karami akwai kamar a ce daga da an ɗauko jikin shi ya fara ɗan sauya kala ya kamata a ce uwar shi ko baban shi ta mishi fara mishi magana bisa kan matsalolin na eh, sauye-sauyen nan da zai gani yanzu muna so mu san ciki wannan ƴan matan da muke tare da su notamment Maryama kina iya gaya mun yanzu inda kike nan ga si même dans une école de santé c'est c'est comment c'est facile de parler à sa maman de de certaines choses euh, on y arrive maintenant ko ko har yanzu da a yanzu babu wannan matsalar kunya an huddata okay da eh, dama dama da dama dama ba kamar da ba mm. tunda yanzu kana iya zama da farankinka ku yi magana amma fa profondément kwa sama sama <laughs> <laughs> euh, sama sama sama voilà et yanzu da kika ce sama sama kaman bon mi zancen mi ke iya rita mi ba ke Ah, on m'a pas <laughs> eu entendre de moi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ne peut même pas parler avec nous. Donc maintenant, toi, selon toi, ça vient forcément de toi parce que là, tu es mal à l'aise avec ma question. Abin da gagare qui ne ke zuwa ko ko dai uwaye ne kamar ba sa approaching bisa kan irin wannan sujekin da ya shahe ki qui est ce ma kike kumiya a'a uwayen ne ba su son maganar shi ouais. wai uwayen ne ba su son maganar shi to <laughs> kuma irin kuma ya taki ce ko <laughs> irin kuma ya taki ce suke to maintenant je passe à toi Aïcha Aïcha tu vas me dire Là, Mariam vient de parler de ses difficultés à parler avec sa maman, notamment de, cette, bon, de certains sujets. Maintenant, tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce qui pose problème Pourquoi il y a un, ce problème-là Pourquoi ce blocage à ce niveau Explique-nous. Bon, ce blocage, je peux dire que c'est dû à un manque de communication. Ok. C'est dû à un manque de communication. Parce que du moment où avec la maman, tu as tu es à l'aise, tu causes bien, je ne vois pas d'inconvénient de lui apporter certains sujets, surtout qui te concernent, toi qui es la femme. Ok. Dis-moi ton nom. Je m'appelle Farida. Ça va Oui, ça va. Explique-moi, qu'est-ce qui te pose problème Quand eh, eh, matsala, matsala ne ki te ki ma mama magana bisa kan wani abu da ke damun ki bon au début on peut dire que ça pose des petits problèmes mais mm. en fin de compte on arrive quand même à expliquer les problèmes quoi ok donc maintenant on a plus de facilité à en parler oui to yanzu mu ƙara koma mu shakata on va écouter à jamais de Charlotte la dépendante mon ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je calo. Calo. Allez, à jamais je te veux à ma droite. efface tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme, Dans mon palais, t'es la reine bébé. Ah, juste cadeau. quand t'es pas là, je te jure, je m'alloue. J'arrive plus à décoller, qu'à l'eau À jamais je serai à ta droite. T'effaces mes peurs et mes troubles. da bisa kan haila da duk abin da ya shafi haila da 'yan mata duk wani matsaloli da 'yan comfort da su yake tafi da wannan lokacin nasu na haila a nan ta a ess dr samira da muna nan muna jiran kito yanzu gashi nan kin iso a wannan fadar muna tare da dr abdul aziz mamudu ɗazu ya ƙara ba mu ƙarin bayani bisa ciwon cikin da muke ji <laughs> il est administrateur ici à l'ISS nous sommes avec Zamira Mamoudou Hamadou elle est chargée de programme Waba Mariama Maizumbu elle est étudiante ici nous sommes avec euh, Tchadji Aïcha, cette fois-ci je l'ai eu, hein, vous avez eu. <laughs> elle est étudiante. Et Samira, qui vient juste de nous rejoindre, elle est étudiante en sixième année de médecine. Donc, ça va Tu vas bien, Samira Selon toi, vers qui il faut se tourner à la vue de ces premières règles si, Pour certaines, c'est clair que bon, c'est les mamans et tout. Pour d'autres, c'est compliqué. La normale serait que les parents en parlent d'abord, dès avant la période de menstrues. Mais vu que c'est un peu difficile et que pour la plupart d'entre nous, je pense que 90% personnes leur a dit non. Ou bien on vous a parlé de ça. On vous a parlé de ça Votre maman vous a parlé. <laughs> Personnellement, je lui ai rien dit. Ah <laughs> elle a constaté d'elle-même. Et comment t'as fait Comment t'as géré ça euh, J'ai géré ça comme une grande, toute seule. J'ai appris toute seule. C'est, bah, c'est, non, à notre époque, il n'y avait pas YouTube d'abord. <laughs> Même l'internet, c'était, c'était bidon. Euh, même Google, c'était, c'était pas ça. Non, c'est, j'étais, je suis un peu lecture, donc mes ah, livres, ma bibliothèque, mm. je m'instruis, je, je, lis. Donc ça, c'est mon cas à moi. Moi, n'en ai pas parlé. Okay. J'en ai vraiment pas parlé, elle l'a constaté d'elle-même. Et je suis sûre que la majorité n'auront pas le courage d'aller dire Maman, il y a quelque chose qui cloche parce qu'elles vont se dire Est-ce que j'ai pas fait une bêtise Qu'est-ce que ah, j'ai fait Pourquoi est-ce que c'est là Donc, le mieux, vous ne manquerez pas dans la famille une tante, euh, une cousine, mm-hmm. au minimum. Une grande cousine à qui on peut. Minimum une cousine à laquelle vous allez parler, vous allez lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Merci. Je vous demande déjà, ici, mm-hmm. Samira, je vous demande déjà, il y a quelqu'un qui a déjà aidé une petite fille qui est venue, qui s'est approchée, une telle, comment je vais gérer ça, comment je vais faire elle faisait des va et vient elle était inquiète elle ne voulait pas manger j'ai remarqué ça je lui je ai demandé ce qui n'allait pas donc elle m'a dit que elle a du sang sur son slip je lui ai dit que je voulais <laughs> voir elle ne voulait pas que je voie donc c'est après que je suis partie voir sa maman pour lui dire ça. Elle est partie chercher ses cotons, elle est venue, on l'a aidée, on lui a montré comment elle doit s'y prendre et tout. Héroïne de quelqu'un, hein Voilà, une qui Bon, une autre qui veut parler Gayamon, comment ça s'est passé Dis-moi. Moi, au fait, c'est ma nièce. C'était les vacances dernières, quand j'étais allée en vacances. Hmm. Bon, elle sait que je fais une école de sage-femme ici et tout, donc comme elle, était, elle avait eu ses menstrues, mais elle, elle n'a pas été capable d'en parler à sa maman. Et elle ne savait non plus quoi mettre pour retenir le sang. Elle traînait le sang partout. La chance qu'elle a, c'est que ce n'était pas abondant. Donc, elle ne se tâchait pas. À chaque fois, régulièrement, elle allait sous la douche. À chaque fois, elle allait sous la douche. Donc, moi, j'étais allée pour faire une semaine avec eux. J'ai remarqué qu'elle se lave plusieurs fois dans la journée. Et je lui ai dit, c'était en blaguant, je lui ai dit, toi tu veux devenir une blanche ou bien quoi, chaque fois tu te laves, tu n'es pas fatiguée. Mm. Et c'est là, elle me disait que si elle me dit quelque chose, est-ce que je vais garder le secret J'ai dit oui de me dire. Elle m'a dit qu'elle a un abcès, que ça coule, le sang coule de l'abcès là tout le temps, tout le temps. J'ai dit, elle a l'abcès là où Elle a dit dans son sexe. <laughs> Et c'est là que j'ai compris. Je lui ai dit, elle a quel âge Elle m'a dit qu'elle a 12 ans. Et c'est là que j'ai compris que c'était c'est monstrueux. Alors je, suis allée voir sa maman. Je, l'ai appelée avec sa maman et puis je lui ai expliqué à sa maman c'est comme ça, sa fille a ses monstres, mais elle avait peur de l'en parler parce que sa maman, selon ce qu'elle a dit, sa maman, Jean l'intimidait en disant que quand tu as les monstres et tu t'approches d'un garçon, tu tombes enceinte. Des trucs du genre. Donc, elle avait peur parce qu'elle dit qu'elle part à l'école et qu'elle s'amuse aussi avec les garçons, ils sont avec les garçons, donc qu'elle a peur que sa maman ne dise qu'elle a approché un garçon, qu'elle est tombée enceinte, des trucs du genre. Et c'est là, je ai expliqué que c'était ces monstres. On était allé à la formation, on lui a acheté des couchons. on l'a expliqué comment placer et aussi même comment compter. de se dire euh, au revoir, on va accueillir Monsieur Olivier. Olivier Merci, vient tout le temps avec euh, des informations sur la chronique de la FADA. Olivier, on t'écoute vas Mais ce soir, je suis un peu gêné. Ah, pourquoi Les sujets et tout. Mmh. Sérieux mmh. Mmh. <laughs> Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je vous propose une chronique éducative. Justement parce que nous allons parler de l'examen de baccalauréat dans l'Union économique monétaire ouest-africaine, UMOA qui regroupe bien évidemment huit pays. Il y a de cela des années, les huit pays de l'UEMOA ont décidé d'harmoniser l'organisation de l'examen du baccalauréat. Bientôt, les épreuves seront uniques pour tous les élèves des classes de terminale dans l'espace UMOA. E Est-ce que vous êtes déjà au courant Vous, vous êtes au courant Super. Qui est d'autre au courant Bah, elle est la seule. Ah, elle, est la plus informée. pour pour elle. Elle est la plus oh. informée. Elle journaliste. L'objectif hmm. L'objectif final de cette harmonisation est d'avoir un examen synchronisé et axé sur un programme commun. D'ailleurs, à ce propos, une phase pilote d'uniformisation de quatre matières, histoire, géographie, mathématiques et sciences de la vie et de la terre, est en cours d'expérimentation dans certains pays de la sous-région. Le baccalauréat, cet examen qui ouvre les portes sur l'enseignement supérieur jusqu'à ce jour est organisé d'une manière autonome et libre au niveau des États de l'UOMOA. Mais tenez-vous bien, d'ici 2024-2025, les choses changeront. Ce serait l'officialisation du baccalauréat unique au sein de l'Union. C'est ce qu'a décidé les États des huit pays de l'UEMOA il y a de cela quelques années. Mais pour le moment, le débat se trouve au niveau des programmes. Parce avant d'harmoniser un examen, il faut d'abord harmoniser les programmes et ils sont en cours. Merci, ça sera tout. On applaudit pour Olivier. On revient au dernier mot, dernier mot de nos invités, euh, des conseils d'hygiène que vous avez à partager avec euh, matin galgadi ga iyaye mata yau mun surara yan mata akwai wa'anda sun ka waɗi suna iya yin magana da iyayensu akwai wanda ba su iya yin magana da iyayensu kamar mu iyaye ya kamata mu ɗauki mataki na fara magana da ɗiyanmu bisa kan abin da ya shahe wani al'adansu wanda za su iya gani kuma da abubuwan da za su iya aiki da shi in al'adar ta zo musu kenan a kowane lokaci mu tabbata suna da shi a wurin da suke aiki da su kamar in dan makaranta ne yana da shi a cikin sakkin shi ko wani magani in ciwon ciki ne zai kama shi ko menene zai kama shi duk wannan an mishi wannan shirin kuma ina kira ga lokololi kamar inda suke karatu su ma su rika kulawa su rika diddibawa suna gani kamar wani mataki ne za su dauka na samo musu abubuwan da za su daukan wannan jinin a ce kullun yana nan wurin eh inda kuma akwai mutum wanda aka tsara musamman wanda za su iya magana da shi ko yarinya ba ta iya magana da uwarta ta samu wani labari na kwarai a ce a cikin makarantar da take za ta iya samun labari to doctor zancen ku na karshe bisa kan wannan sujekin namu mi za ku gaya ma wa'annan 'yan matan c'est vraiment pour moi c'est un encouragement c'est d'encourager toutes les filles si on peut le dire à l'échelle euh, internationale toutes les filles de ne pas avoir peur d'aller s'exprimer au niveau des supérieurs euh, par rapport à, cette situation. Donc de ne jamais avoir peur, de ne pas se cacher derrière euh, ce tact parce que c'est pas une honte. Mhm. Donc il faut aller s'exprimer, ce n'est pas un souci. de l'autre côté, il faut en parler. De l'autre côté, c'est ici, par exemple, chez nous, avec les étudiants, il y a un cours qu'on fait ici, euh, l'IEC le changement pour un, communication pour un changement de comportement. Donc, euh, vous êtes tous informés par rapport à ça. Vous êtes maintenant des étudiantes qui sont normalement des portes d'ouverture pour les autres filles qui n'ont pas eu accès à ces écoles de santé ou bien qui n'ont pas eu accès même à l'école de santé en général, de, les sensibiliser par rapport à ce que c'est que, la menstruation. Parce qu'on a vu, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas aller s'exprimer chez les parents, mais quand même avec vous, certainement, parce qu'on a eu des témoignages. Plus facile, voilà, plus facile avec vous. Donc, c'est d'avoir toutes les, connaissances normalement requises par rapport à ces menstruations-là et de, de faire êtes vraiment des ouvertures. Merci. Mariama, me za ki iya gama wa'annan 'yan matan? Mata a ce sun san lokacin da yake zuwa tunda farmuwa ne. Mm. ne ya kamata a ce ko da yaushe. Eh, ya kamata a ce kahin ya zo ya kusa zuwa su ɗauki precaution kinsu a ce suna kayi da koton kinsu mm. ko in masu ciwon ciki ne suna kayi da maganin su duk inda suke a ce ya zo musu suna da precaution kinsu. Ok. Aisha, ton dernier mot? Et moi, je vais ajouter que bon, le mieux à faire, c'est d'être toujours accompagné par ses propres cotons et ainsi que les antalgiques pour calmer les douleurs. D'accord. C'est tout. Merci. Être toujours accompagné de ses cotons et de ses comprimés. Et pour celles qui n'en ont pas, on souhaite qu'elles euh, trouvent facilement grâce aux ONG dans ce sens, qu'elle trouve facilement du reconfort. bien gérer ça avec hygiène, avec propriété, dans le confort aussi. C'est la fin de l'émission Tous à la Fada, français à Aoussa. Vous allez rencontrer demain mon coéquipier. Vous allez continuer avec lui sur tout ce qui est conséquence, sur tout ce qui est accompagnement, sur tout ce qui est mesure, comment aider ses jean fi kakane ake iya taimaka musu kuma wannan irin matsalolin da suke fuskanta a lokacin da wannan abun ya zo musu nota man bisa kan harkan karatun su sai mun kara haduwa sur tous Merci bien mes choux. Bye bye les <laughs>